Forum Chers auditeurs et auditrices, euh, bonsoir. Il est 18h15 C'est l'heure de votre forum sur le studio Kalangu. Vous nous suivez chaque jour à travers un réseau dynamique de 34 euh, radios partenaires qui diffusent en direct nos programmes dans une vingtaine de départements du pays ainsi que dans toutes les capitales régionales. À Niamey, ces radios partenaires sont Alternative FM 99.4 MHz, Quartier FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook est Studio Kalangu et notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum du Studio Kalangu, c'est ce débat radiophonique qui aborde diverses thématiques riches et variées visant à vous éclairer sur plusieurs questions d'actualité ou de société que vous vous posez souvent avec des spécialistes du domaine. C'est ainsi que nous avons le plaisir de nous intéresser à la diplomatie ce soir, c'est pour parler de la coopération entre le Niger et le Cuba. Cuba est un État insulaire communiste. Le pays est constitué de la plus grande des îles des Caraïbes. Indépendant depuis 1902, après avoir connu une colonisation espagnole, ce pays a longtemps souffert parce que mal vu de l'extérieur pour son choix politique avec la révolution qui a conduit le défunt avocat Fidel Castro à la tête du pays en 1959 et au plan économique par l'embargo décrété et imposé par les États-Unis d'Amérique en 1962, avec des réformes sociopolitiques importantes qui lui donnent aujourd'hui une place plus reluisante dans le concert des nations. Cuba a aujourd'hui des relations bilatérales de plus en plus fructueuses avec des pays comme le Niger. D'où a germé cette coopération Quels sont les domaines qu'elle touche Qu'est-ce qui explique le fait que cette coopération a un niveau très avancé dans le secteur de la santé, plus de 300 médecins cubains ont déjà travaillé au Niger, renforçant ainsi la faible couverture sanitaire du pays. Quels sont les efforts en cours pour renforcer cette coopération et l'étendre aux autres secteurs Quelles sont les opportunités que Cuba offre au Niger pour les Nigériens qui aimeraient s'y rendre Quelles sont les perspectives avec le nouvel ambassadeur Quels sont les défis relevés par Cuba malgré le blocus C'est à toutes ces questions et à plein d'autres que nous tentons tenterons de trouver des éléments de réponse au cours de ce forum qui reçoit comme invité le nouveau diplomate cubain au Niger avec juridiction sur la République du Tchad, Georges José Haddad Capote, qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous et à tous les, auditeurs. Merci beaucoup à la présentation. Michel Degi. Excellence, euh, bienvenue au studio Kalangu et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de votre pays, le Cuba, situation géographique, superficie, nombre d'habitants, principales richesses tout d'abord, il faut commencer par dire que Cuba est un petit État situé dans les Antilles, un pays qui a des voisins géographiques, même en qu'île, avec la Jamaïque, les, îles Bahamas et le Mexique d'un côté et l'Haïti de l'autre côté. Au sud, nous avons plusieurs petites îles de la région et la deuxième île la plus grande de la Caraïbe, que c'est la, Jamaïque. La population La population de Cuba dépasse les 11 millions 250 000 et quelles sont les principales richesses euh, du Cuba Je crois que la principale richesse de mon pays, c'est son peuple. En tant que petite île faible en ressources naturelles, même si nous avons des, gisements importants, du nickel et même d'autres gisements, on a commencé à faire les, prospections et on a trouvé un peu de pétrole. Et même il ils disent qu'il y a de l'or, mais la grande richesse de mon pays, c'est son peuple. En tant que petit pays, le climat que nous a permis d'avoir voir euh, le beau fixe, mhm. qu'agriculture l'agriculture mhm. et aussi pour le tourisme. Tout cela nous a permis à tout le peuple cubain de pouvoir survivre dans un contexte géographique parfois compliqué à cause de la présence des ouragans. Mhm. Parce que le beau fixe aussi, même s'il y a le beau fixe, nous nous trouvons dans la zone des ouragans. Nous sommes parfois victimes des orages euh, très sévères et de, des intempéries. Parfois, il y a la sécheresse totale. Parfois, il y a des pluies diluviennes. C'est pourquoi je vous dis, ce que l'on a en permanence, c'est euh, un peuple guerrier qui s'est imposé aux difficultés et que aujourd'hui peut euh, montrer avec une certaine fierté et avec honneur des acquis importants. Comment vous avez pu arriver à cela, Excellence, faire euh, de votre peuple une véritable richesse en matière de ressources humaines Est-ce ça a été centré sur l'éducation ou comment vous avez pu réussir cela, votre pays je devrais tout d'abord remercier la présence du composant africain dans la nation cubaine. Les, Africains qui ont été arrachés de leur patrie naturelle pendant l'époque de la traite d'esclaves sont arrivés dans notre pays et se sont tout de suite sentis intégrés avec le reste de la population de l'île qui à l'époque était territoire de l'Espagne. Mmh, tout à fait. Mmh. Après une longue histoire, nous avons commencé à créer la nation et la nationalité cubaine le grand poète national José Martí était un précurseur de l'égalité des races. Et il a dit que nous avons créé le citoyen cubain qui est au-dessus d'être blanc, d'être noir, d'être métis. Le peuple cubain est un peuple intégré par un composant espagnol, européen et un très important composant africain car les vestiges des aborigènes cubains sont presque disparus. Les ceux qui existaient au moment de l'arrivée des colonisateurs ont été presque exterminés à cause des travaux forcés auxquels ils ont dû faire face la colonisation du pays. On dit aussi que votre pays est connu dans le cadre notamment de la production du tabac, Excellence. Cuba, le cigare que l'on roule, on l'appelle le habanos. Mhm. Habanos, ça vient de la Havane, c'est la, capitale, de Cuba. Mhm. D'habitude, en, espagnol, on appelle je fume un Habanos, mhm. c'est-à-dire je viens de fumer un cigare fait à Cuba. Et à une époque euh, longue, le cigare, c'est une partie composante très importante de la culture de Cuba, même si il faut avouer que notre pays a mené et mène toujours une lutte très acharnée pour combattre la consommation. Nous sommes donc euh, sur les richesses euh, de votre pays. À partir de tout cela, Excellence, euh, qu'est-ce qu'on peut considérer être aujourd'hui la particularité de votre pays au plan mondial Je crois que la particularité principale de la nation Cuba dans le plan mondial, c'est tout un éventail de traits de caractère, mhm. de particularités du peuple. C'est un peuple solidaire, un peuple de travailleurs, un peuple de gens qui sont très engagés dans la lutte pour un avenir meilleur. On a eu des acquis très importants Mhm. dans les domaines de la santé publique, de la culture, de l'éducation, de la formation des ressources humaines et dans le tourisme. Le pays s'est ouvert euh, au tourisme il y a quelques décennies. À ce moment, on, on est en train de devenir un pôle intéressant dans la région de la Caraïbe. Nous espérons, si tout marche bien, que l'année 2018 nous permette d'accueillir jusqu'à 5 millions de visiteurs. Excellence, euh, parlons à présent de l'embargo ou si vous préférez du blocus à mon euh, se bloquer quelles sont ses causes Le, peuple cubain, après la guerre hispano-états-unienne cubaine, euh, le peuple cubain est devenu euh, indépendant, mais 1902 indépendant, mais sous tutelle des États-Unis en, en, tant que nation qui avait vaincu, qui avait sorti victorieuse dans la guerre mm-hmm. hispano-cubaine états-unienne. Le grand capital des États-Unis est venu et intervenu dans le peuple cubain, dans la nation cubaine, à maintes reprises. Tout cela a été la demande des autorités états-uniennes de recevoir de la part des autorités de Cuba de certains territoires dans l'île pour la construction de, bases militaires. Jusqu'à présent, il y a la base militaire états-unienne à, Guantanamo, que vous connaissez parfaitement. Nous tous disons que c'est le seul endroit sur le territoire cubain où l'on ne respecte pas les droits de l'homme, parce que c'est la tristement célèbre prison à la base navale états-unienne à Guantanamo. Au début du 10 mars 1951, après le coup du, général Batista, à Cuba, on a suspendu les libertés fondamentales. La dictature de Batista s'est établie. Finalement, s'il faut parler des conséquences, Excellence, quelles sont les conséquences que le peuple cubain a dû subir euh, relativement à ce blocus Les conséquences euh, du blocus contre Cuba sont énormes. Chaque année, les autorités de notre pays chiffrent les nombres de pertes du blocus et je vous avoue que très peu de nations dans ce monde ont subi des pertes tellement terribles, tellement terribles, qui dépassent 90 hmm. milliards de dollars en presque 60 ans, dépassent largement les 90 milliards de dollars et que les conséquences continuent toujours. C'est une politique qui a été adoptée par les États-Unis je me permets de, lire ce qui a été dit au moment de l'instauration des premières mesures euh, contre notre pays qui ont finalement débuté en tant que, que blocus. Le 6 avril 1960, un rapport d'un fonctionnaire du département d'État euh, faisait savoir que la plupart des Cubains soutiennent Castro. Il n'existe pas une opposition politique effective dans le pays. Le seul moyen prévisible d'aliéner les soutiens internes est à travers le mécontentement et le découragement fondés sur l'insatisfaction et des difficultés économiques. Pour, nous, pour les Cubains, c'est presque une déclaration de génocide. C'est faire que tout le peuple tombe entre nos mains mhm. par, par, le désespoir, par le faim et, par, le, mécontentement. Quand on parle de ces conséquences, euh, Excellence, on aborde d'abord les conséquences au plan politique, mais aussi au plan militaire. Au plan militaire, qu'est-ce que vous pouvez dire, Excellence le, pays, notre pays, <clears throat> a dû, survivre pendant plus de cinq décennies dans un état de guerre en temps de paix. Mhm. C'est une situation très bizarre parce que euh, nous, nous sommes confrontés en permanence à garder euh, une armée euh, régulière et à, entraîner en permanence le peuple cubain. face aux menaces en permanence provenant des, des, voisins du Nord. Ce blocus, il faut le rappeler, il a quand même été levé, euh, Excellence Non, le blocus reste toujours. C'est vrai que... Il y, a, une recommandation des Nations Unies récemment qui a été votée. Oui, mhm. je comprends. Mhm. Je, je, je, sais bien ce que vous, ce que vous dites. Et et sans doute, euh, la plupart des, auditeurs et des auditrices qui suivent les, informations internationales, euh, mhm. sans, doute, sans doute se poseront euh, la, même question. Et depuis plus de 25 ans, à l'Assemblée générale vote le projet de résolution mhm. présenté par, le, par la République de Cuba qui parle de la nécessité de lever le blocus commercial, financier et économique des États-Unis d'Amérique contre le peuple cubain. C'est vrai que euh, euh, c'est un vote euh, qui, se fait chaque année depuis les dernières 25 ans et que en, en, en 2016, on a on a atteint le pic le plus, pic le plus important de, de, manifestations de soutien à, Cuba, euh, euh, quand, de manière miraculeuse, les États-Unis se sont euh, abstenus pendant le vote, faisant savoir qu'ils reconnaissaient les conséquences, les dures conséquences du blocus contre le peuple cubain, et en plus que le blocus n'a pas été capable de mettre à genoux la nation cubaine. Mais comme, euh, comme, vous, connaissez par, comme vous connaissez parfaitement, les, les les résolutions de, l'Assemblée générale des Nations unies ne sont pas obligatoires. Mm. Euh, ce sont des, résolutions qui ont, sont plutôt symboliques, mais qui euh, démontrent que la plupart, l'immense majorité de la communauté internationale reconnaît euh, que le blocus contre Cuba est un acte injuste, illégal, et inhumain. Et le Niger, justement, avait soutenu le Niger, la levée. Le Niger avait voté, justement, en faveur de cette levée du blocus euh, économique, commercial et financier sur le Cuba. Oui, euh, je, peux, je peux me réjouir de la, du soutien que euh, solidaire en permanence que l'on reçoit du, peuple nigérien euh, euh, et, surtout la compréhension à titre permanent que le blocus est un acte inhumain contre, mhm. contre un peuple, un peuple ami, un peuple solidaire et un peuple indépendant et souverain. Excellence, comment expliquer l'avancée de Cuba sur certaines puissances dans certains domaines malgré ce blocus, les domaines notamment de la santé, de l'éducation, de l'agriculture. C'est vrai que euh, le peuple cubain, dès, sa naissance, euh, Cuba a compté avec euh, un potentiel scientifique important. Mais c'est seulement après le triomphe de la Révolution que le, le, le, le commandant en chef lors d'une de, ses interventions, a admis que pour un peuple, un petit peuple, pauvre sans ressources euh, minérales importantes, mais avec, un peuple, avec euh, une population solidaire, guerrière. Nous avions la possibilité de, devenir travailler dans la formation et, de mettre des ressources humaines et de mettre l'accent sur la science, sur la science. Et on a beaucoup travaillé dans la formation des ressources humaines, on a beaucoup travaillé dans la formation de, médecins, de spécialistes et surtout dans la création des instituts, des instituts et institutions de recherche dans différents domaines. Et au, moment du, du triomphe de la Révolution, le pays ne comptait que quelques 600 médecins, tout le pays. Hum. Grâce à, une idée qui a été développée par le leader de la révolution cubaine, à l'heure actuelle, Cuba compte plus de 90 000 médecins. 90 000 80, 90 000 médecins. Hum. Et, médecins solidaires, médecins qui sont capables de mettre euh, en avant leur, euh, leur euh, compromis avec la santé de l'être humain partout dans le monde et

nous pouvons faire preuve de, de, la présence solidaire des médecins et du personnel de, de, la santé de Cuba dans beaucoup de pays du monde, y compris le, le, continent, le continent africain et aussi compris le continent, euh, le, le, pays du Niger. C'est dans votre pays qui abrite euh, l'école latino-américaine de médecine. L'école latino-américaine de médecine <clears throat> a été le résultat de, de la terriblement célèbre tourmente, euh, l'ouragan du siècle mhm. dans la région euh, latino-américaine lors du passage d'un terrible ouragan, d'une série d'ouragans qui, sont, qui, ont eu lieu dans la, dans la région. les vraies faiblesses de la région ont affleuré. Et le, leader de la révolution a eu l'idée de créer les, médecins de l'âme. Le médecin de l'âme. Et, et, on a créé une école où euh, tous les étudiants du du, tiers-monde avaient la possibilité de devenir médecin. Et ce qui est bizarre, c'est que euh, dans l'école latino-américaine de médecine, a, même, il y a, il y a des, ressortissants des États-Unis qui se sont diplômés aussi. On, a eu 170 mm. euh, médecins des États-Unis qui n'avaient pas la possibilité d'étudier de la mm-hmm. d'étudier la médecine dans leur pays et, qui ont, eu la, ont reçu leur diplôme de médecin à Cuba de manière gratuite. Tout à fait. Parlons à présent Excellence des liens d'amitié et de coopération qui unissent le Niger et le Cuba. Les premières euh, relations diplomatiques entre les deux pays datent de quand Les relations diplomatiques entre nous, non. Nos deux pays datent de, des, années 60, 70. Euh, euh, c'est le 25 avril 1970 que euh, Cuba et le Niger ont établi des relations diplomatiques et l'ouverture de l'ambassade de Cuba euh, au Niger a eu lieu en 1999. Mhm. Et je crois que c'était l'année dernière que l'ambassade du Niger a été inaugurée à La Havane, mhm. même s'il existait, je crois, de, c'était au a été inauguré officiellement lors de la, de la visite du ministre des, Affaires étrangères du Niger à Cuba au mois de novembre 2017. L'ambassade existait euh, quelques mois avant, mais a été inaugurée euh, de manière officielle à l'occasion de la visite du chef de la diplomatie nigérienne. Excellence, quels sont les domaines dans lesquels Cuba intervient au Niger Cuba intervient au Niger notamment dans le domaine de la santé et de la formation des ressources humaines. On a, on a diplômé une quarantaine, il y a environ une quarantaine de, de, professionnels de différents secteurs de la vie nationale du Niger qui ont été formés à Cuba. Il y a des médecins, il y a des biologues, il y a des professeurs, des, diplômés en différentes matières euh, euh, de la vie quotidienne, de, des avocats, des ingénieurs euh, agronomes, des ingénieurs électriques, des médecins, notamment des médecins et des stomatologues, des diplômés mais en langues étrangères. Mhm. Mais ces dernières années, on a, on a surtout formé des, et on continue toujours à former de médecins dans l'école dans latino-américaine, que je devrais dire qu'à un moment donné, elle sera aussi l'école latino-américano-africaine mhm. de médecine, parce que un composant très important, c'est aussi, euh, ce sont des, des élèves de, de, de, votre continent. Mhm. Euh, à, Cuba, par exemple, à, à, ce moment, pour, juste pour vous donner quelques chiffres, il y a un nombre ah, très important, il y a presque 29 000, 29 000 étudiants eh, diplômés à, Cuba pendant toutes les années de, à, l'école latino-américaine de médecine. De ces 29 000 Africains qui ont reçu leur diplôme eh, en tant que, professionnels, 27 500 proviennent de la région de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire, mhm. nous avons, eh, nous avons donné à, votre continent avec un grand plaisir et avec euh, euh, une solidarité extrême, la, capacité de, d'avoir ses propres ressources humaines pour mhm. euh, trouver une solution aux problèmes de santé qui existent partout dans le monde, y compris aussi dans la région africaine. je voudrais aussi euh, mettre l'accent sur les axes prioritaires de la coopération entre nos deux pays qui s'articulent euh, autour de, la santé et de l'enseignement supérieur. Mhm. Et il faut noter la coopération médicale, médicale de Cuba qui s'est traduite par l'envoi au Niger, Niger d'une équipe médicale, la formation et la spécialisation des médecins nigériens, l'accueil de malades nigériens à Cuba et l'exportation des produits pharmaceutiques et du matériel médical au Niger. je voudrais euh, aussi me référer à, au programme de lutte contre le paludisme mhm. que, que nous, nous mettons en œuvre euh, avec la, la, coopération et l'excellente coopération de, des autorités du Niger. On a un programme anti-larvicide c'est-à-dire, euh, euh, nous, il y, a, il y a des programmes qui sont adressés à protéger la population contre les moustiques nous, nous mettons l'accent sur l'élimination de, de, des larves de moustiques. Mm-hmm. Ça, c'est la, caractéristique du, programme de Cuba, est, un programme, un résultat de la biotechnologie de notre pays et, euh, je, peux parfaitement vous, vous, garantir qu'avec une application correcte et en permanence de ce programme, les, les, soirées, les soirées autour de la ville de Niamey et des autres villes du pays seront vraiment euh, très, très agréables car il n'y aura pas de moustiques. Nous allons un peu revenir sur ce programme euh, de lutte contre euh, le paludisme Excellence. Mm-hmm. En 1997, le ministre nigérien de la Santé de l'époque avait signé des tests instituant une coopération médicale justement et une coopération technique sanitaire dans laquelle le gouvernement cubain s'engageait à envoyer au Niger une équipe médicale suivie mhm. de concrétisation au niveau de cet accord en 1998. Durant ces 20 dernières années, nous avons plus de 300 médecins cubains qui ont travaillé au Niger. Est-ce qu'il y a encore euh, des médecins cubains qui continuent à travailler pour la prise en charge sanitaire des populations sur le territoire national bien sûr, les médecins de notre pays eh, ont réitéré à maintes reprises leur disposition de donner leur aide solidaire eh, au peuple nigérien à n'importe quel moment. À ce moment, euh, jusqu'à présent, il y a 16 médecins de Cuba qui travaillent à Niamey, qui travaillent à, Tawa, qui travaillent à Dosso, et à la ville de Sander. Mhm. Et euh, dans les prochaines semaines, il y a deux, autres spécialistes. Quand je vous dis de médecins, je, ce sont des, médecins spécialistes. Spécialistes. Spécialistes. Il y a deux autres médecins spécialistes qui devront joindre euh, la brigade médicale de Cuba. Et, tout récemment, euh, il y a deux jours, j'ai déposé auprès de, son Excellence, Monsieur le ministre Maïna mhm. une dernière offre de Cuba de, compléter la brigade. Euh, Cuba et le, Niger ont, signé un accord, un protocole de coopération et c'est un mémorandum d'entente d'après lequel euh, le peuple, le ministère de la Santé de Cuba euh, montrait leur disposition d'envoyer jusqu'à 30 médecins spécialistes au, Niger pour aider à, la, au programme de santé du pays. Je viens de présenter une, offre euh, de 14, euh, de 12, de autres médecins qui restaient pour compléter le montant de 30 spécialistes dans les différents domaines mhm. des de la, de la santé publique, que ce soit. <clears throat> je, suis sûr que euh, nous, dans l'avenir très proche, mhm. nous pourrons compléter la, totalité de médecins qui avait été accordé. Et il y a aussi une proposition de la part de Cuba de continuer à prêter euh, service dans les, dans, les, dans les institutions de santé du pays, de contribuer à aux travaux de l'hôpital de référence ici à, à la capitale, dans d'autres dans d'autres cliniques, dans d'autres hôpitaux de la ville, d'envoyer des équipes, euh, des équipes, euh, des équipes chirurgicales pour diminuer la liste d'attente euh, pour, les, pour les interventions chirurgicales. Et, aussi, euh, je viens de présenter il y, a, il y a une semaine un programme de traitement du, de, patients du pied diabète euh, que nous menons à Cuba et que a permis, grâce à un traitement qui, qui a été appliqué à Cuba, nous avons réduit en presque 80% le nombre d'amputations par par pied diabète. Je, suis sûr que, que son application euh, au Niger aura des conséquences euh, vraiment excellentes. Je compte sur ça. Justement, Excellence, dans le cadre de la mise en service de l'hôpital général de référence de Niamey inauguré le 2 août 2016, euh, il avait été annoncé que des médecins cubains y travailleront également avec ceux d'autres pays amis comme la mhm. Chine ou la Turquie. Où en est-on par rapport euh, à, cela Peut-on avoir une idée de leur nombre euh, et quelles sont les spécialités dans lesquelles ces médecins spécialistes auront à travailler Bon, je vous avais dit que et euh, jusqu'à présent, il y a 16 médecins de, Cuba qui mhm. travaillent euh, au Niger. À l'hôpital de référence, il y a deux médecins, deux médecins spécialistes euh, qui travaillent et avec des résultats vraiment très encourageants. Mhm. et, il y a aussi la possibilité d'élargir dans les prochains mois le nombre de spécialistes de Cuba qui pourront prêter leurs services euh, à l'hôpital de référence de Niamey. Ça veut dire que s'il y a des spécialités qui manquent, le Cuba est prêt à fournir. Cuba a souligné et a réitéré euh, à maintes reprises euh, la, disposition de, des autorités de la santé publique de travailler à, côté ses, des amis et du, peuple, du peuple frère du Niger pour euh, garantir l'assistance la, médicale adéquate et aussi pour entraîner les, les, les ressources humaines, euh, du Niger de la même, de la même euh, sorte Cuba a présenté euh, un programme de formation de spécialistes de, avec déjà des médecins diplômés au Niger, de, de, les accueillir dans, le pays, de les recevoir pour mettre pour entamer leur formation en tant que spécialistes dans les matières dans les, branches que, que, qui soient, qui euh, nécessaires dans le, au Niger et même entre-temps de fournir le service, euh, le service nécessaire de ces spécialisations que le Niger euh, n'a besoin. Euh, mais il y, a des, il y a des, bien sûr, il y a des des, contrats qui devront être signés, il y a des discussions qui devront être menées, que sans doute à un moment donné, elles, auront, Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez dit, le Cuba, eh, vous représentez un pays qui est très en avance dans le combat contre le paludisme. Et concrètement, quel est l'apport euh, pour le Niger, euh, où cette maladie constitue l'une des premières causes de mortalité pour la population. De façon euh, concrète, l'apport du Cuba dans la lutte euh, contre le paludisme. nos deux pays ont signé <clears throat> au début des, années, je crois que c'était en 2012-2013, je ne me, souviens pas très bien à ce moment, nos deux pays ont signé une convention, un protocole pour la pour l'assistance euh, spécialisé euh, du laboratoire La de Cuba hmm. pour venir à l'aide dans la lutte contre le paludisme. Et, Cuba devait, devrait euh, mettre en place un, modèle de, lutte contre les, larves du moustique hmm. C'est c'est un programme qui, vient d'être, que, s'applique depuis, deux ans dans le mhm. pays euh, et, c'est un programme qui est appliqué euh, de manière provisoire à la ville de Niamey et à Dosso. Mhm. Et, je peux vous dire bon, que après qu'on a, a commencé la mise en place de ce programme, le taux d'infectation surtout des, moustiques, des, moustiques qui sont les transmisseurs de, la malaria, c'est le moustique Culex et, surtout, non pardon, les moustiques qui sont les transmisseurs de la, de la malaria, le taux d'infectation a baissé de manière drastique. ces, engagements avaient été pris à l'occasion notamment de la visite euh, du ministre cubain des Affaires étrangères. On a, eu la visite du ministre cubain des Affaires étrangères en 2016, mhm. mais avant, on avait, signé, on avait déjà signé le, protocole pour la, présence de, des ingénieurs. Mhm des ingénieurs de l'entreprise la, la Biofama euh, de Cuba au Niger. Et c'est en 2016 que les premiers spécialistes de Cuba sont arrivés au, Niger mm. et qu'ils ont commencé à, travailler. Et je, peux vous dire que grâce au travail, grâce au travail qui a, été fait par les spécialistes, les, taux euh, d'infectation par, par moustiques euh, surtout les moustiques qui sont les transmisseurs de la, malaria dans la ville de Dosso et dans la ville de Niamey, que c'est là où l'on a mené le travail euh, euh, presque en permanence, le, taux d'infectation est extrêmement faible. Excellence, parlons à présent de cette coopération sur le plan éducation. Dans le passé, le Niger envoyait des étudiants dans votre pays qui reviennent comme agronomes ou docteurs mhm. vétérinaires. Est-ce que ça continue Ça continue, bien sûr. Mhm. Cette année, je, vais vous dire quelque chose. Euh, au début des années 90, notre pays a connu une période qui a coïncidé avec la, disparition des principaux partenaires socio-commerciaux euh, de, de, notre pays. Mmh. Et c'était les pays socialistes de l'Europe de l'Est et l'Union soviétique. On a connu une étape de crise économique très difficile. Mmh. Et le, le peuple cubain a continué même à accueillir des étudiants provenant du pays du, tiers-monde. Dans les années 2000, nous avons euh, commencé à travailler d'arrache-pied dans la formation des ressources humaines, y compris des étudiants du Niger. Actuellement, il y a une trentaine d'étudiants nigériens qui font leurs études à l'école euh, latino-américaine de médecine. Et il y a une quarantaine de, Nigériens qui, qui ont obtenu leur diplôme dans les universités de Cuba on continue à garder deux, bourses que nous considérons vraiment précieuses mm-hmm. euh, pour étudier à l'école internationale de, santé de, Cuba. Et cette année, on, a déjà transmis à l'ANAB la demande de nous présenter deux candidats qui euh, vont faire ces études à Cuba. le, grand privilège de, d'étudier la médecine à Cuba, c'est que et le futur docteur mhm. revient de Cuba avec son diplôme, son diplôme de médecin plus deux autres spécialisations complètement, complètement gratuites. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une c'est une, une, longue formation. C'est donc intéressant, Excellence. En janvier passé, votre prédécesseur en fin de mission au Niger, Reinaido Derivette Zarzabel, avait été décoré pour être élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite du Niger pour tout ce qu'il a eu à faire dans le cadre justement du renforcement de cette coopération entre les deux pays, quels sont les grands défis que vous comptez relever pendant votre mandat et les axes prioritaires sur lesquels vous aurez à mettre euh, beaucoup plus l'accent de façon succincte j'assiste à toutes les réunions, je transmets toutes les indications reçues de mon pays et je fais tout le nécessaire pour que nos amis et nos partenaires nigériens et trouve la, la, la, possibilité euh, d'établir une coopération mutuelle, mutuellement satisfaisante euh, avec, euh, avec Cuba, parce que pour nous, en tant que petit pays, en tant que pays pauvre et victime du blocus pendant depuis presque 56 ans, et ça c'est dans nos gènes. Pour nous, c'est très important de transmettre à, à, nos, amis, à nos frères euh, nigériens, qu'un petit pays de 11 250 000 habitants et qui connaît des difficultés depuis, des, depuis presque 60 ans à cause des, du blocus euh, notamment. Et nous, nous ne pouvons, nous, n'avons jamais eu la possibilité, et nous, n'avons jamais eu la possibilité de dire que nous, nous exportons, nous, donnons nos excédents. Hum. Non, non, nous partageons ce dont, on dispose, parce que ça, c'est la vraie solidarité pour Cuba. Ce n'est pas de dire on est riche, on peut donner. Hum. On aimerait bien être riche. Si peut-être si on, si on était riche, on, aurait pu mieux faire. Pu mieux faire. Hum, Mais même étant pauvre et victime du blocus, on partage ce dont nous disposons. Je crois que c'est, ça met, à l'épreuve la vraie qualité humaine, la vraie, qualité solidaire de, tout un peuple comme le peuple de, mon pays. Nous sommes pratiquement à la fin de ce forum, Excellence. Un mot pour terminer sur ce qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes là et ce qui vous impressionne ici au Niger. Je suis vraiment très touché par, par un peuple aussi guerrier que le nôtre. Mhm. Et, le, un peuple qui a su s'imposer aux difficultés, aux difficultés économiques, même aux difficultés climatiques. Et, vivre dans le Sahel, c'est un grand défi. Et le peuple nigérien est un, est un peuple brave, est un peuple qui a pu s'imposer eh, à, un climat rude, et un peuple eh, heureux, un peuple gai, un peuple qui s'amuse un peuple qui s'efforce pour, pour, pour euh, ouvrir, euh, pour, pour un avenir meilleur, un peuple qui accompagne euh, ses, dirigeants dans, dans, la, lutte solidaire et dans la lutte humaine et humanitaire et, patriotique pour, pour, donner une meilleure vie à toute, à toute une nation. Et je suis vraiment très, très agréablement surpris en constatant que on peut compter sur la capacité euh, de s'imposer aux difficultés, et, comme m'ont démontré les Nigériens. Et c'est pourquoi j'éprouve une, une dette énorme à l'égard d'eux. Euh, pour en échange euh, donner le meilleur de, de moi euh, en tant que membre de la diplomatie solidaire de Cuba et j'ai pris l'engagement de faire tout le nécessaire pour que le travail qui a été fait par mes prédécesseurs continue à se développer et en plus trouver d'autres moyens pour assurer une coopération plus étroite, plus, plus large, euh, tout un éventail de possibilités et que euh, euh, aussi faire savoir dans, dans, notre pays qu'il faut travailler pour, nos amis nigériens qu'il faut continuer à travailler pour nos amis, nos amis nigériens, qu'il faut continuer à démontrer la, capacité, la capacité de solidarité de la nation cubaine et être prête à à prêter leur service à, ce peuple accueillant et ce peuple amical qui m'a reçu les bras ouverts. Merci, Excellence. Euh, une dernière question par rapport à l'image de votre pays. Que répondez-vous enfin à ceux qui qualifient le régime cubain de dictatorial, Excellence bon, Sauf s'ils sauf ne parlent que à Cuba, c'est la dictature du prolétariat. À Cuba, c'est la dictature du prolétariat. Je dis toujours que, à Cuba, c'est la dictature du prolétariat. Notre, peuple euh, élit ses propres dirigeants mhm. de la base, c'est au niveau de la base. vous pouvez sans doute euh, euh, interroger les Nigériens qui ont fait Cuba, qu'ils ont participé peut-être dans les, dans réunions du quartier où l'on élit, où l'on sélectionne ses propres représentants au niveau du quartier. Celui-là est après élu au niveau de la municipalité, celui-là est alors élu au niveau de la province. Et au niveau de la province, on élut les députés à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, que c'est le Parlement national de Cuba. Et c'est le Parlement qui élit le meilleur. C'est vrai que euh, si tu n'as pas les qualités, tu ne peux pas être élu parce que pour nous, euh, appartenir à la, classe qui fait la, révolution, qui dirige le pays, c'est un énorme compromis c'est un énorme compromis. Ce n'est pas un privilège. C'est vraiment un énorme compromis de, représenter et de travailler pour un peuple qui a, donné à maintes reprises la preuve d'être capable de s'imposer aussi comme les Nigériens l'ont fait avec euh, le climat du Sahel. Le, euh, peuple cubain, cubain s'imposer aux difficultés du blocus euh, qui dure plus de 56 ans. Merci. Ceux qui, disent, je, voulais dire, ceux qui disent que Cuba est une dictature, qu'ils viennent nous voir qu'ils viennent voir ce que nous faisons, comment nous le faisons, et, qu'ils essayent jamais de faire la moitié de la solidarité que nous menons en œuvre avec les, les capacités de ressources. C'est la fin de ce forum du studio Kalangu. Merci de l'avoir suivi. La coopération entre le Niger et le Cuba est le thème débattu. Nous retenons que le Cuba est une population qui a environ 11 millions d'habitants. C'est un peuple travailleur et solidaire. Et c'est un peuple qui a des relations diplomatiques avec euh, le Niger depuis 1970. Nous avons convié à ce forum Excellence, euh, Monsieur l'ambassadeur euh, de Cuba au Niger. Nous nous étions donc en compagnie du nouvel ambassadeur de Cuba au Niger avec juridiction sur la République du Tchad, Monsieur Georges José Haddad Capote, Excellence, euh, Monsieur l'ambassadeur, merci pour votre participation à ce forum du studio Kalangou et merci à vous également, chers auditeurs, qui nous avez suivis à la réalisation. C'était Boubou Diallo à la technique, Issa lié au micro, Michel Deji. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et au revoir.